le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.estudiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème disparition de personnes pendant les conflits et autres situations de violence, ampleur au Niger, quel message et ou enseignement pour les cœurs. Le 21 décembre 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 65-209 dans laquelle elle s'est dit profondément préoccupée par la multiplication dans diverses régions du monde des disparitions disparitions forcées ou volontaires, y compris les arrestations, détentions et enlèvements, et décide de proclamer le 30 août Journée internationale des victimes de disparitions forcées, euh, célébrée euh, chaque année depuis 2011. Cette année, le phénomène de disparition de personnes a pris une ampleur inquiétante d'après le Comité international de la Croix-Rouge. Dans la région de Difa, il a été constaté une série et d'enlèvement de personnes civiles avec euh, des demandes de rançon orchestrées par des groupes armés non étatiques dans plusieurs localités. À Tilaberi, des cas d'enlèvement ont été observés dans certains départements. À Maradi, dans les villages frontaliers du Nigeria, la région de Tawa, elle aussi, n'a pas échappé à ce phénomène avec euh, deux cas d'enlèvement rapportés durant le deuxième trimestre 2019. Enfin, la région d'Agadez avec euh, le phénomène migratoire et son cortège euh, de personnes disparues lors de la traversée du désert et de la Méditerranée. Avec euh, nos invités, nous allons chiffre appui faire le point, revenir sur le pourquoi d'une journée internationale et surtout partager les messages clés ou enseignements afin d'interpeller la conscience collective sur ces disparitions forcées ou involontaires volontaires, les arrestations, détentions et enlèvements. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Bilal Sablou, CICR Tunis. Bilal Sablou, bonsoir. Bonsoir. Christina Von Arc, coordonnatrice protection du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Niger. Christina Von Arc, bonsoir. Bonsoir. Et Kakatouda Maman de l'association alternative Espace Citoyen. Kakatouda Maman, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de vous donner la parole, suivons ce témoignage d'un parent d'une personne enlevée à Nglewa en 2017. Je m'appelle Makinta Mamadou. Makinta Mamadou, vous êtes un des parents de 39 femmes et enfants enlevés de Aujourd'hui, deux ans qu'ils sont entre les mains de Boko Haram. Quel sentiment Vraiment, ça fait deux ans, ça fait deux ans qu'ils sont avec, euh, avec, euh, dans les mains de Boko Haram. Ce sont mes parents, ce sont mes proches c'est les enfants de mes grands. Ce sont tous ces, des gens qui ont été enlevés ou bien été égorgés, ce sont mes parents. Il n'y avait pas quelqu'un qui n'en a pas de lien avec moi. Vous avez l'air nouvelle aujourd'hui après deux ans Non, non, non, nous n'avons pas de l'air nouvelle. Mais tout récemment, il y avait notre, le fils de mon grand frère qui était revenu. Il, était échappé. Il était revenu. Il nous a dit des choses vraiment encore qui nous a fait peur. Qui nous avait fait peur tellement. Comme c'est des petits enfants, des petites filles ont été mariées. Même les femmes d'autrui qui ont été prises, elles sont mariées encore. Mhm. Maman Kakatouda, vous faites euh, souvent des alertes pour signaler des disparitions de personnes. Avez-vous des chiffres pour mesurer l'ampleur du fléau au Niger Merci, merci Mokhtar. Euh, merci aussi au, studio Kalangu, euh, comme d'habitude, de nous donner l'occasion de nous exprimer sur les sujets brillants de l'actualité. Euh, effectivement, le 30 août, c'est la journée internationale des personnes disparues. là, c'est vraiment le soutiens aux familles, aux parents, amis et connaissances, comme on l'a dit. Euh, alors, pour le cas spécifique vraiment du, Niger, euh, comme vous le savez, au tout début de la crise de, Boko Haram dans la région de Difa, surtout dans la période 2015 et 2016, il y a eu beaucoup de cas de disparition que nous-mêmes nous avions pu répertorier. C'est le cas, par, par exemple, des 11 ou 13 personnes qui avaient quitté d'Orongalewa pour venir euh, vers Ningimé sur la, en cours de route, ils ont disparu. À cette date, on n'a pas de leurs nouvelles. Il y a également des cas, d'autres cas de disparition où les personnes se sont déplacées pour venir ici à Niamey, rester pendant une à deux semaines, euh, où nous avions investigué. Moi-même, j'étais devant, où j'ai eu la chance de venir rencontrer euh, les amis du CICR, avec qui ils ont fait des investigations, que ce soit au niveau des prisons civiles de haute sécurité de Koutoukale, que ce soit au niveau de la prison civile de Kolo. À cette date, on n'a pas pu mettre les mains sur ces personnes-là. Donc il y a beaucoup de cas comme ça où les personnes ne sont ni chez eux, sachant pertinemment qu'ils ont été enlevés, pas enlevés, qu'ils ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité. Vous savez que les toute première, euh, en tout cas le tout début de la crise, ça a été très mal géré. C'est vrai que c'est une première, nous n'étions pas préparés vraiment à de telles euh, menaces. Le Niger pensait qu'à tout moment que la crise allait rester euh, peut-être euh, au Nigeria, on n'avait jamais pensé que euh, la crise allait traverser la frontière pour venir au Nigeria. Par conséquent, donc, nous n'avions pas pris des mesures préventives Et c'est ce qui fait que quand euh, le 6 février 2015, il y a eu euh, les deux attaques simultanées de Bosso et de Difa, c'était vraiment la panique totale, c'était vraiment euh, la peur et, tous ceux qui bougeaient, en tout cas qui sont plus ou moins suspects, et sont arrêtés. Donc beaucoup de gens ont été arrêtés, ils n'ont pas été mis entre les mains de la police ni de la gendarmerie et certains ont été carrément tués parce qu'on a même des cas de personnes qui ont été tuées, exécutées et qui ont été enterrées en cours où les personnes étaient parties réclamer le corps. Ils ont repris l'inhumation en suivant les, préceptes religieux et tout ça. Mais je pense que cette journée a tout son sens. Surtout pour le cas particulier de notre pays, le Niger, aujourd'hui qui est confronté à plusieurs crises hein, dans sa partie ouest. Vous avez rappelé dans l'introduction, notamment dans la région de Tilaberi, qui connaît aussi, surtout dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina Faso, on a des cas vraiment d'assassinats, on a des cas d'enlèvement de personnes, des gens qui disparaissent, mais également, surtout dans la région de Difa, où ces cas de disparition sont énormes. Mais maintenant, le problème, c'est la pertinence vraiment de la commémoration d'une telle journée, c'est de montrer à ces familles des victimes, aux parents des victimes, qu'il y a également des organisations comme le CICR qui se battent, il y a des organisations de la société civile, il y a des médias qui se battent, il y a d'autres communautés qui se mobilisent pour venir en aide, en soutien, ne serait-ce que même si c'est moralement, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que cette disparition ou cette disparition des personnes, de leurs proches, de leurs euh, enfants, ce ne sont pas elles seulement qui sentent. Monsieur Kakatouda, est-ce que vous êtes en contact avec les familles des personnes enlevées en voilà Nous sommes vraiment en contact euh, permanent avec euh, les familles des personnes enlevées en Anglais. Rappelez-vous, nous faisons un travail de veille quotidien surtout. nous faisions partie, en tout cas au Niger, des organisations qui suivent cette, ces questions d'enlèvement. Et ça, j'avais toute une série de cas d'enlèvement que j'ai pu répertorier en 2018 et 2019. Nous allons certainement en, revenir. Mais pour les cas particuliers de victimes d'Engalewa qui ont été enlevées le 2 juillet 2017, il faut le rappeler, à cette date, euh, ces gens sont entre les mains des victimes. Et là, nous venons d'écouter le témoignage très touchant d'un des parents euh, euh, de ces victimes qui dit que vraiment la situation dans laquelle ou les situations dans lesquelles aujourd'hui les victimes se retrouvent sont des situations alarmantes parce que selon son témoignage, il y a des petites filles qui ont été enlevées parce que les les fils et des enfants souvent qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, des petites filles qui ont été enlevées. Et aujourd'hui, le témoignage nous dit que ce sont des filles malheureusement qui ont été mariées. Là, ce sont des mariages forcés, ce sont des mariages qui ne sont pas faits de manière, avec de consentement euh, vraiment euh, fiable. Et là, je pense que c'est des problèmes. Et là, je pense que c'est aussi l'intérêt de la commémoration d'une telle journée. Et nous sommes de cœur avec eux. Nous allons continuer, en tout cas au niveau des organisations de la société civile, à dénoncer ces questions d'enlèvement. Nous allons continuer à alerter le monde entier et surtout à interpeller le gouvernement parce qu'il est de la responsabilité du gouvernement de la République de prendre des dispositions pour que toutes les personnes que ce soit les nationales, que ce soit les personnes étrangères vivant sur le territoire de la République du Niger, il est de la responsabilité du gouvernement de prendre des dispositions idoines pour que les personnes puissent valablement circuler, dormir tranquillement, voyager, en tout cas tant qu'ils sont sur le territoire c'est de la responsabilité. Malheureusement, on constate que euh, aujourd'hui les frontières sont ce qu'elles sont. Toujours le gouvernement peut chercher vraiment des, des, excuses en disant que c'est un vaste territoire qu'on ne peut pas contrôler surtout. Mais je pense qu'il y a un minimum à faire au vu de la fréquence des enlèvements euh, dans la région de Dufa Il est inconcevable que ces actes puissent continuer. nous interpellons le gouvernement à prendre des dispositions pour que plus jamais ces phénomènes euh, ne soient. En tout cas, de prendre des disposition pour qu'on puisse amoindrir. Pourquoi je l'ai dit C'est important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire deux jours sans qu'il y ait d'enlèvement dans la région. ça, veut dire que des actions ne sont pas euh, conjuguées au niveau de la région de Difa Mais même si les actions sont conjuguées aujourd'hui avec la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad, avec euh, la mise en place, par exemple, au niveau régional de la force conjointe du G5 Sahel et tout ce qu'on voit, mais en fait, il faut apprécier euh, les choses en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Donc, si aujourd'hui, même si les attaques contre l'armée ou les attaques dans les villages peut-être ont un peu diminué, mais en fait, ça s'est remplacé par ce phénomène de rapt de Mais est-ce que ce ne sont pas euh, liés au banditisme dans la région Mais écoutez, dans tous les cas, c'est ce qui est sûr. Vous savez qu'une crise peut avoir toujours des conséquences. Aujourd'hui, tout ce qui va se passer dans la région de Difa, on va dire oui, c'est Boko Haram. Tout ce qui va se passer dans la région de Tilaberi, on va dire oui, c'est le groupe djihadiste, ce sont les rebelles qui viennent du nord Mali. Mais évidemment, l'effet, c'est qu'il y a ce phénomène de Boko Haram. Avant ça, on ne connaissait pas ce genre d'enlèvement de personnes et aujourd'hui, avec la crise sécuritaire avec ce groupe terroriste Boko Haram, chaque fois, on voit des cas d'enlèvement de personnes. Et pour nous, nous continuons à croire que s'il y a des groupes armés qui sont dans cette région, évidemment, c'est ce groupe, euh, ou ces groupes, en tout cas, de Boko Haram, parce qu'eux-mêmes, ils sont divisés en deux branches. Vous savez, c'est l'aile radicale dirigée par Shekau et l'autre, aile plus modérée, El Barnaoui, ou elle, c'est l'aile qui s'emprunte uniquement au symbole de l'État, mais également à l'armée et autres. Par contre, l'aile dirigée par Chekao, c'est l'aile qui n'épargne ni les populations civiles, qui n'épargne ni l'armée euh, républicaine, qui n'épargne ni les symboles de l'État. Je pense que nous allons revenir certainement là-dessus. Christina Von Arx, alors que fait la Croix-Rouge par rapport à cette problématique Hum, je pense, euh, d'abord, j'aimerais bien remercier euh, cette opportunité que nous, on peut participer à cette, euh, conversation. Et pour nous, c'est vraiment aussi une opportunité de rappeler vraiment c'est quoi le sens de cette journée que nous, on célèbre aujourd'hui. Et je pense que ça serait bien aussi, je peux rappeler que c'est vraiment le but de cette journée des disparus de attirer l'attention sur la problématique humanitaire de ce euh, problème de disparitions, parce que c'est une problématique qui cause beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance pour les familles qui sont restées derrière et euh, qui ne savent pas de leurs membres de famille. C'est une problématique qui également est pertinente pour beaucoup de pays dans le monde, ici au Niger, mais il y a plein de pays que ça se présente aussi comme problématique et c'est une problématique qui est aussi à la hausse. Et le fait qu'il y existe cette journée, c'est un constat que la communauté internationale reconnaît que c'est un problème. Et c'est pour ça, depuis 2011, euh, on célèbre cette journée comme euh, commémoration des personnes disparues. Et c'est vraiment de sensibiliser davantage tout le monde à la problématique tragique des personnes euh, portées disparues et l'angoisse de leurs familles et la nécessité de prendre mesure. Et si on parle de la, de la problématique de disparition, je pense que c'est aussi important de, de, dire de, de, quoi nous on, parle, de le CICR. C'est vraiment la disparition, c'est quand la famille, ils n'ont pas nouvelles de leurs proches. Et ça peut être à cause de conflits, comme les exemples qu'on a écouté euh, écoutés, ça peut être violence interne, ça peut être la migration, comme vous avez dit, ça peut aussi être les désastres naturels. Alors, il y a une euh, gamme de, situations qui contribuent de cette euh, grande problématique euh, de disparition. Et c'est vraiment ce point que nous, nous aimons bien faire, que c'est beaucoup de situations diverses qui créent cette problématique des disparus et l'angoisse pour les familles qui attendent tous les jours, toutes les semaines, des fois des années pour une réponse. Et des fois, c'est une problématique qui n'est pas autant visible parce que la souffrance d'une personne qui attend des nouvelles d'un proche, c'est pas très visible. Et c'est bien qu'il y a des journées comme aujourd'hui pour euh, donner la place et rappeler euh, de ces problèmes. Quand ces problématiques sont, sont invisibles, des fois, ils sont négligés aussi. Ils sont des fois peut-être jugés pas prioritaires parce qu'il y a beaucoup d'autres priorités. Mais pour nous, c'est vraiment de rappeler, oui, c'est une priorité. Et euh, vous m'avez demandé ce que le CICR fait particulièrement dans la, question. Mhm. Et je pense qu'on peut rappeler que pour les besoins des familles, c'est premièrement, c'est vraiment de savoir, d'avoir une nouvelle de leurs proches. Mais au-delà, ils ont aussi des besoins d'appui. appui, comment vivre avec l'absence. Et sur ces deux axes que, nous, on essaye de, fournir et un appui. Sur la question de, recherche, euh, oui, le CICR, ensemble avec la Croix-Rouge nigérienne, on euh, maintient un réseau des liens familiales. Et dans nos possibilités, on peut prendre des demandes des familles qui ont perdu le contact avec un proche pour essayer sur euh, selon les moyens que nous avons de faire une recherche de ces personnes. Vous l'avez fait ici dans quelle région La région d'Agadez ou la région de Difa toutes les régions. Le rétablissement des liens familiaux. Oui, ça se fait dans tout le territoire de, Niger. Et quand c'est des questions de, migration, on, essaye de, cette question le long de la route. Et pour cela, le CICR aussi établit, ensemble avec la Croix-Rouge nigérienne, six kiosques de communication où des migrants qui n'ont pas eu la moyen de se, mettre en contact avec leur famille peuvent faire des appels gratuits. Et euh, je peux vous donner quelques chiffres de janvier à juillet de cette année, on a facilité 5700 appels téléphoniques euh, pour des personnes qui ont eu le besoin de se communiquer avec leur famille. Également, on a pris des recherches euh, pour des personnes qui ont perdu le contact et euh, sur 17, on a retrouvé deux. Donc c'est important c'est important et notre euh, service en, ça est existant et on apprécie la possibilité qu'on peut faire cette discussion aujourd'hui parce que ça va aider peut-être euh, de connaître mieux le service euh, du CICR et de la Croix-Rouge nigérienne. En ce qui concerne les, les nécessités de famille, en termes euh, de vivre avec l'absence, il faut vraiment souligner que ça peut être dans beaucoup de domaines très différents parce qu'il y a des questions légales qui peuvent se poser, il y a des questions euh, administratives, euh, psychosociales qui sont là et le CCR au moment on est en train de creuser davantage sur comment on peut mieux répondre aux besoins de, personnes des familles qui ont une personne disparue au sein de famille. Christina, quels sont les problèmes auxquels vous faites face dans le cadre de l'accomplissement de votre mission Les difficultés Les difficultés. Il faut dire que si on prend euh, le CSR globalement, les cas de disparition sont beaucoup. Et pour trouver une réponse, il y a des fois des réponses comme on a pu, pu constater, mais dans la réalité, ça va toujours être euh, peu. Mais il faut faire de renfort de vraiment essayer de trouver des, euh, des, réponses aussi pour les familles. Et sinon, les, les, besoins des familles, ils sont aussi euh, beaucoup. Il faut euh, avoir une bonne connaissance. Il faut aussi être en contact avec les familles. On a pris le défi et c'est ça, on travaille maintenant. Maman Kakatouda, vous avez quelque chose à ajouter rapidement euh, Je pense que Christina a dit des choses euh, extrêmement importantes sur lesquelles il faut revenir. Je pense que c'est bon que les populations sachent qu'il y a des organisations internationales comme le CSR qui font des travail de recherche, qui font des travail d'accompagnement et même pour soulager les familles. Et là, nous, les organisations de la société civile, le travail que nous faisons, c'est essayer de, davantage de multiplier la sensibilisation. Souvent, vous savez, les familles de victimes craignent aussi des questions de représailles. Il y a des cas de violation ou des disparitions de leurs enfants, de leurs pères, de leurs familles, mais souvent pour venir dénoncer, les gens sont... Ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a une organisation comme le CICR qui fait ce travail vraiment de recherche, d'accompagnement, mais souvent les personnes ont la crainte même de venir dénoncer chez les autorités. Il y a des gens dont les, les, droits sont violés, mais venir au niveau près des autorités pour dénoncer, ils trouvent qu'il vaut mieux rester se retrancher parce que cette guerre a créé la psychose au sein des populations. Et c'est pourquoi nous, nous sommes de cœur avec des organisations comme le CSR qui font des travail. C'est surtout que les gens sachent qu'ils font ce travail dans la discrétion, avec vraiment beaucoup de précautions. Donc les gens peuvent avoir la garantie qu'il n'y aura pas de représailles. Et c'est dans la discrétion, dans l'anonymat. Personne, si vous voulez, ne peut savoir même que vous avez engagé euh, une démarche dans le cadre de, des recherches des personnes. Mais là, c'est les actions de sensibilisation. C'est pourquoi c'est important que euh, ce thème puisse revenir un peu euh, aujourd'hui dans le cadre de cette journée internationale des personnes euh, disparues. Mais d'abord, les personnes disparues, elles, on ne sait même pas souvent là où elles sont. Souvent, les gens sont cachés dans des prisons. Souvent, des gens peut-être ont été exécutés. Mais les familles continuent à subir ces pressions-là. Et comment redonner la confiance à ces populations, euh, comment redonner confiance aux parents vraiment de ces victimes. Donc c'est d'où la problème. Je pense que si les gens sont conscients et si les gens sont convaincus qu'ils peuvent engager des actions dans le cadre de la reste, on, on, ne dit pas, ce n'est pas seulement, mais nous, on veut même que les gens aillent au-delà, par exemple, des recherches, ils peuvent même aller au niveau du procès. Nous, en tout cas, au niveau des organisations de la société civile, nous avons toujours plaidé, surtout au niveau de alternatives, nous avons toujours plaidé pour que les gens aient une culture du procès. Parce que une, quand vous avez des cas de violation, de disparition, je pense que nous avons des, des, institutions judiciaires dans ce pays. Nous avons aujourd'hui la Commission nationale des droits humains qui est vraiment une, une autorité administrative indépendante qui fait aussi des efforts dans ce domaine. Nous, ce qu'on fait, c'est d'encourager les populations à briser ce tabou et aller vers ces institutions. Au-delà des recherches, par exemple, au niveau des CICR, s'ils font des recherches et que les conclusions ne sont pas vraiment bonnes, je pense qu'ils peuvent même porter euh, cette affaire devant les juridictions euh, nationales et même internationales. Et c'est ce que nous, nous essayons d'encourager. Et vraiment, c'est ce que je voulais euh, ajouter en cela. Et donc, nous-mêmes, nous avons un grand défi, un grand travail. C'est vraiment de faire en sorte que les populations aient confiance à des organisations euh, comme le CICR et même à d'autres organisations qui travaillent dans le domaine pour les accompagner. Et donc, c'est ce, message que je voulais. Christina, vous avez quelque chose à ajouter Oui, j'aimerais bien ajouter que oui, c'est l'occasion que les, populations qui sont affectées, ils ont meilleure connaissance de quoi sont leurs options. Et comme M. Kaka, il avait dit, qu'il y a la possibilité de, de faire euh, une dénonciation il y a aussi la possibilité de se confier à un organisme humanitaire, mais nous, on adresserait la, problématique d'une optique humanitaire pour réduire la souffrance de la famille et on n'exclut pas l'autre, mais on a nos, mandats distincts et je pensais bien que les gens, ils connaissent euh, les, actions d'un à l'autre et comment ils sont différents et comment ils peuvent être cherchés les deux. que fait ou peut faire la société civile pour accompagner les États ou les communautés euh, dans ces disparitions-là Mais écoutez, d'abord, les organisations de la société civile, nous sommes très engagés. Hein. Rappelez-vous, par exemple, euh, récemment, en mars 2019, au niveau de l'alternative, que ce soit alternative avec les autres organisations de la société civile qui travaillent dans, les, dans le cadre de la défense des droits humains, nous avons animé un point de presse euh, pour attirer d'abord l'attention du gouvernement au vu des fréquences de violations des droits humains, sur la situation humanitaire dans la région de Difa et même sur la fréquence d'enlèvement des personnes dans, cette région. sur les cas spécifiques de disparition des personnes. C'est vrai, nous-mêmes, nous, nous sommes confrontés à des difficultés parce que, euh, en droit, tu ne peux pas agir euh, plus que la personne concernée elle-même. Donc c'est ce que nous essayons de faire. On essaie d'accompagner les personnes, on essaie de les encourager à prendre eux-mêmes euh, cette question à bras le corps. Mais euh, c'est ce qu'on n'a pas pu jusque-là arriver parce que quand même, on a deux à trois rapports sur le cas de la région de Don. La dernière, c'était la crise sécuritaire dans la région de Difa. les droits humains à l'épreuve de, de, de l'état d'urgence, c'est paru récemment, il y a à peine un mois, le document est disponible. Mais sur le cas spécifique de cette disparition de personnes, je crois qu'il y a un travail à faire à notre niveau même parce que souvent, tant que vous n'avez pas de documents qui montrent avec des preuves, avec des données, personne ne vous prendra au sérieux. Et c'est, je crois que euh, nous allons nous mettre à faire ce travail pour que, alerter d'abord la communauté internationale, pour interpeller le gouvernement dans ce sens, par rapport aux communautés, par rapport aux familles. Et je pense que ce que nous, nous pouvons faire, déjà, euh, nous nous sommes donnés comme mandat dans le cadre de, de notre statut et règlement de promouvoir les droits humains, de poursuivre vraiment tout ce qui fait en sorte que les droits humains puissent être euh, respectés. Et je pense que ce mandat, si nous ne le respectons pas, nous-mêmes nous dévions déjà de notre mission que nous nous sommes donnée. Donc, nous allons continuer ce travail conformément d'abord à notre mission à nous-mêmes, mais également nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec les personnes ou les parents, j'allais dire des victimes, parce que là c'est la journée internationale des disparus, et les parents des personnes qui sont disparues, pour qui certains, nous avons leur adresse il faut le dire, nous avons beaucoup des adresses pour des personnes, je vous ai rappelé tout à l'heure le cas des personnes qui se sont même déplacées pour venir ici à Niamey, avec qui nous, les avons accompagnés avec le CICR, ils ont fait le travail, et tout ce qui s'en Je pense qu'on peut continuer ce travail-là euh, dans ce sens. donc nous, surtout au niveau des communautés, c'est de leur lancer des messages, de leur lancer des messages pour leur dire que d'abord, ils ne sont pas seuls, il ne faut pas qu'ils continuent à croire qu'ils sont seuls victimes de cette crise. Nous sommes tous des victimes de cette euh, crise, de cette euh, question de disparition des personnes. Donc, nous allons continuer à les encourager dans leurs efforts, à leur remonter le moral et surtout à les appeler à prendre des initiatives. Il faut que les initiatives viennent des familles. une des initiatives, par exemple, c'est de venir auprès du CICR. Si vous avez des cas de personnes qui sont disparues, je pense qu'aujourd'hui, le CICR dispose des antennes régionales au niveau de huit régions. Partout sur le territoire du Niger, quand vous partez à Difa, il y a le CICR bureau régional. Et surtout, la chance, c'est que votre radio est suivie sur 38 départements. Donc, ça couvre presque le Niger en miniature. Et nous profitons pour lancer ce message en disant que partout là où, que ce soit à Maradi que vous avez évoqué, que ce soit à Tilaberi, que ce soit à Difa, que ça soit à Agadez, avec des cas de disparition dans le désert, on voit chaque jour. je pense que nous encourageons les, familles à aller vers des organisations comme le CICR pour entreprendre des actions. Mais mieux au-delà des actions, nous, ce que nous, nous souhaitons, dans le cas spécifique pour nous, l'organisation de la société civile, nous encourageons les personnes à briser le tabou et surtout à porter les affaires devant les juridictions. Il faut que nos juridictions connaissent des cas de violation des droits humains les plus graves. Il faut que nos juridictions arrivent à traiter des cas de disparition forcée, de disparition des personnes en période de conflit armé. Parce que, que ce soit en période euh, normale ou en période de conflit armé, il y a beaucoup de cas de disparition. Et nous, nous allons faire des efforts pour avoir de, la documentation, pour avoir des cas de, de monitoring en tant que tel. Et nous allons porter connaissance à l'opinion publique nationale et internationale. Vraiment, nous sommes de cœur avec eux. nous les encourageons euh, à continuer à poursuivre les actions euh, en allant dans le sens vraiment de véritablement découvrir si ces personnes. Parce que c'est quoi l'importance de, ces actions-là Par exemple, une organisation comme les CICR, quand vous venez, venez déclarer que, voilà, par exemple, votre papa, votre frère ou votre soeur a été enlevé à telle période, à telle date, eux, ils ont la possibilité de suivre ensemble avec vous, avec peut-être d'autres partenaires, avec d'autres gouvernements, suivre et savoir si réellement la personne existe ou pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la région de Difa qui ont dit disparu comme ça. Peut-être qu'ils sont dans des prisons, mais c'est vrai que les prisons aussi, euh, euh, si les grandes prisons, on le sait, hein, que ce soit à Kolo ou Koutoukale, les gens normalement. Mais il y a beaucoup de cas de personnes dont les familles n'ont pas de leurs nouvelles. Les gens se sont contentés de faire même les cérémonies de Fatia et autres et qui sont restés. Peut-être que ces gens peuvent réapparaître dans deux ou trois ans, ou peut-être aussi que c'est des gens qui sont effectivement exécutés et qui ont disparu. Bilal Sablou, que faites-vous au Niger pour élucider le sort des personnes disparues en matière de gestion euh, de, puits mortels Premièrement, merci pour euh, cette opportunité de participer. Euh, donc, euh, pour la gestion des, des puits il est très important pour la problématique des personnes portées disparues. Parce que si les informations et les données d'une personne portée disparue n'est pas collectées, n'est pas gérées d'une façon correcte et d'une façon propre, et n'est pas enregistrée et partagée avec les membres de famille, ça peut constituer un nouveau cas de disparition. Donc, euh, ce qu'on fait ici en Niger, euh, comme c'est ICR, on appuie les autorités et on renforce les capacités des premiers intervenants et des intervenants d'urgence pour la gestion des dépouilles mortelles. Donc, ce sont des personnes qui travaillent directement, qui sont impliquées directement dans la gestion des dépouilles mortelles, dans le ramassage, dans le collecte des euh, informations. Après ça, on essaye de mettre en place des procédures et des standards et des lignes directrices pour le collecte la gestion et le partage des informations des dépouilles mortelles. Comme je dis, c'est pour essayer d'identifier ces dépouilles mortelles et essayer d'éviter de nouveaux disparitions de ces personnes-là. Euh, après ça, on contribue à un renforcement des capacités des différents experts qui travaillent dans le domaine de gestion des dépouilles mortels. Donc, ce sont les médecins légistes, les médecins des différents centres de santé qui sont impliqués dans la gestion des dépouilles mortels et des différents experts forensiques qui travaillent sur euh, la problématique de la gestion des dépouilles mortels et le collecte des différentes données. Est-ce que c'est facile de mener de telles missions c'est toujours, il faut mettre en place, comme je vous dis, un système de gestion des dépouilles euh, mortelles. C'est un travail de sensibilisation des différentes autorités, des différents acteurs de dépouilles euh, mortelles. Euh, jusqu'à maintenant, on a organisé des sessions de sensibilisation et des sessions de formation sur la gestion des dépouilles mortels avec des différents acteurs dans les différentes régions de euh, Niger, de Tilaberi, de Agadez, Niamey, de, Difa, pour euh, sensibiliser et former ces personnes sur les standards et les guidelines basiques de la gestion des dépouilles mortels. Donc ça peut aider à collecter des informations et ça peut aider à collecter des données pour prévenir la disparition et ça peut aider même à euh, centraliser ces données parce que la centralisation de ces données est encore très importante pour aider à euh, partager ces données avec euh, les familles de ces personnes portées disparues pour essayer d'identifier ces personnes-là. Dans votre mission, est-ce qu'il y a des renseignements sur les conditions de la disparition de la victime hmm, Jusqu'à maintenant, non parce que nous sommes maintenant dans la première étape de mettre en place un système de la gestion des dépouilles mortels. Euh, Christina Je pense, euh, je peux peut-être ajouter que sur cette euh, activité, ça va aider dans la disparition dans différentes circonstances, comme on a dit. La disparition, c'est pas seulement le conflit, c'est aussi la migration et les désastres naturels ou même des accidents. Alors, avec, ces, avec ces activités qui sont menées, on espère de, de vraiment avoir un impact sur sur une ampleur des situations qui peut créer des disparitions. À l'occasion de la journée internationale euh, des disparus, est-ce que vous avez prévu de faire des activités ici au Niger à l'occasion de, Ah, pour célébrer la, la journée mm. Oui, demain, ça va se célébrer euh, au siège de la, de la Croix-Rouge nigérienne et aussi dans leur, euh, à Difa et à Gades et à Tilabiri, où on faire des célébrations de commémoration. Mamar Kakatoudan, comment amener euh, les populations à mieux collaborer avec euh, les forces de défense et de sécurité Mais je pense que déjà, euh, sur ces questions, nous avons beaucoup travaillé, hein. nous avons beaucoup interpellé, que ce soit le gouvernement, même nous avons beaucoup sensibilisé également les populations, surtout quand il y a eu le symposium international que l'université de DIFA avait organisé et je pense qu'il y a eu beaucoup de thématiques qui ont été développées dans ce sens. Mais la première des choses, c'est qu'il faut d'abord donner confiance aux, populations. Quand dans une crise de ce genre, vous venez vous instaurer ce qu'on appelle l'état d'urgence qui est vraiment euh, une mesure normale. Hein. C'est C'est une disposition qui a été prévue par la Constitution. Voilà, c'est une disposition normale, légale, prévue dans nos textes fondamentaux. Mais quand vous instaurez ce genre de mesures, c'est vrai aussi, dans des, ça crée des exceptions, mais quand, par exemple, les forces de défense et de sécurité elles-mêmes, euh, sur la moindre de choses violentes, elle violente les populations, sur la moindre de choses, elles menacent les personnes, évidemment, les personnes vont, seront un peu distantes. Mais c'est tout faire que, même en matière, dans le cadre vraiment de l'instauration de l'État d'urgence, il y a des droits humains fondamentaux qu'on ne peut pas violer. Il y a, il y a un minimum qu'il faut donner à la population. Je pense que si cela est rétabli, je pense que les gens vont collaborer. Et même sur les cas, par exemple, de renseignement, de partage d'informations, souvent on entend les gens dire oui, les populations ne collaborent pas beaucoup. Mais souvent, les gens, on a vu un pour les cas, par exemple, du Nord Mali, les gens disent que avec les terroristes, ils sont plus à l'aise, en sécurité, que vraiment avec les forces de défense. Et ça, je pense que ce sont des choses qui sont très graves. Et ça, c'est un défi non pas pour le Niger, mais pour tous les États africains, pour les pays du Sahel, de faire en sorte que les forces armées puissent être vraiment des forces républicaines qui sachent que même en période de guerre, qui sont sur le terrain, c'est vrai, on connaît toutes les pressions qu'elles subissent avec euh, toutes les difficultés, mais elles sont aussi encadrées par la loi. Et c'est surtout ce que nous essayons de faire en termes de messages et nous continuons à dire que rester républicaine, nous sommes de cœur avec vous. Il n'y a pas quelqu'un sur le territoire du, Niger qui peut dire qu'il ne soutient pas les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain. Mais s'il y a des cas de violation également, nous allons dénoncer, que ce soit du côté des populations, que ce soit du côté des forces de défense et de, sécurité, ou que ce soit des autorités administratives. C'est ce que nous essayons de faire euh, sur ce domaine. Mais sur la question, je pense que si les populations sont confiantes, je pense que l'information peut être circulée et la collaboration peut être fluide. Mais si chacun est réticent envers l'autre, chacun reste de son côté, la population se retranche de son côté, alors même que la mission même première de ces, des forces de, défense et de sécurité, c'est vraiment de mettre en confiance, mais aussi de protéger les biens et les personnes donc je pense que les personnes qui viennent venir pour vous protéger et vous et vos biens doivent être des personnes avec qui normalement vous devriez naturellement euh, collaborer ensemble. Maman Kakatouda, pour les familles euh, de certains détenus, euh, les messages transmis par le CICR sont souvent l'unique témoignage du sort de leurs parents prisonniers. Mm. Avez-vous des recommandations particulières à ce sujet Merci. C'est surtout là où je voulais vraiment en venir vous faites bien de me poser cette question. Et ça, c'est vraiment un des défis que nous-mêmes nous avons au niveau, surtout je parle pour le cas spécifique de notre association alternative qui essaie de faire des efforts euh, dans ce domaine, mais une des difficultés vraiment à laquelle euh, nous sommes confrontés, c'est de ne pas pouvoir arriver à un stade où euh, nous allons permettre vraiment aux victimes directes ou de leur famille à engager des actions au niveau vraiment de la justice. Et ça, on est conscient que ça, c'est un, un, défi. C'est vrai, les gens peuvent entreprendre des actions au niveau du CICR, au niveau de la CNDH, au niveau de d'autres organismes qui travaillent dans ce domaine, mais nous, nous croyons fortement que l'action judiciaire est la porte la meilleure. Et, et ça, c'est ce que nous n'arrivons pas jusque-là à faire. Et pour diverses raisons, hein, souvent les gens créent vraiment des, des circonstances pour défendre des pressions sur les familles qui, en cours de route, vous travaillez jusqu'à où vous venez au stade où il faut rédiger une plante et déposer, les gens se retirent ou se retranchent, ils vous laissent et à vous seul, vous ne pouvez pas le faire. Et ça, c'est un grand défi. Le message et la, la recommandation que je le message surtout que je formule à l'endroit des populations, c'est de dire que vraiment, ils ont perdu des êtres humains, ils ont perdu des personnes qui leur sont souvent très chères. Je pense qu'il y a des possibilités pour engager des actions en justice. Donc, nous, nous les encourageons. Nous nous sommes prêts à les accompagner, nous sommes prêts à les encadrer, nous sommes prêts même à prendre des avocats dans ce sens si les personnes vraiment sont organisées et sont prêtes vraiment à porter l'affaire devant les juridictions. Nous sommes prêts à faire. Il faut que dans ce domaine, qui est vraiment, ne serait-ce qu'un procès vraiment pilote pour que nos gouvernements sachent que pour les cas de disparition, vraiment, il y a des actions qui sont en train d'être entreprises. Et là également, nous mettons la justice au devant de la scène. En période de conflit armé, il faut que des cas de violation de ce genre de disparition de personnes puissent être traités et connus par euh, les juridictions. Et c'est comme ça que les jurisprudences peuvent s'installer euh, dans un pays. C'est comme ça que euh, nos tribunaux puissent connaître des affaires. Et là, c'est un défi énorme. Malheureusement, dans nos États, on n'a pas cette culture de, procès. Souvent, c'est même parmi les parents que les gens vont vous dire oui, en fait, vous allez porter votre affaire devant les juridictions. Le monde entier va entendre que la famille de telle ou telle personne a été enlevée et que voilà, ils ont tenté une action en justice qui n'a pas abouti. Et les gens souvent pour d'autres considérations, considérations de, de, la société. Peut-être tu seras mal vu par la société. Tu aurais mieux peut-être à, à, ne pas porter ça. Et je pense que nous allons essayer de continuer à sensibiliser le peuple pour briser ce tabou, pour qu'enfin qu'il y ait vraiment des procès pilotes dans ce sens-là. Christina, vous avez des messages euh, particuliers à l'endroit de la communauté nationale et internationale Je pense que je parle pour le CICR. Chacun son, son mandat et notre mandat, c'est vraiment d'adresser les besoins des familles d'une optique humanitaire. C'est ça que nous, on aimerait bien faire. On aimerait bien aider au soulagement des angoisses que ont les membres de famille qui ont quelqu'un dans leur, euh, dans leur famille indisparu. disparu. Au mieux, on essaye de trouver et contribuer à la, de trouver des réponses où se trouve la personne. Souvent, ce n'est pas le cas. Dans ces situations, nous, on travaille dans le soutien, comment les familles peuvent mieux vivre avec l'absence. Et pour ça, bon, je reviens euh, au sujet du journée de, disparus, que souvent, ces besoins, ils sont pas visibles, ils sont pas pris en compte, et c'est bien que se rappeler de, de leur situation de temps en temps aussi. Bilal euh, Sablou, vous avez un message particulier à lancer à, l'occasion euh, de la célébration de la journée des personnes disparues euh, Oui. de point de vue de, médecine légale, donc c'est bien toujours de mettre en place des actions humanitaires dans la médecine légale pour répondre aux besoins des familles des personnes portées disparues. Donc, euh, c'est de inclure dans le système médico-légal des pays le euh, volet humanitaire de médecine légale. Maman Kakatouda, euh, quels sont les enseignements utiles pour réduire, pour ne pas dire éradiquer les disparitions forcées Les disparitions forcées, ce sont les conséquences vraiment des conflits armés. Hein. Avant, on ne parle pas, même aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup des cas de disparition forcée, par exemple. Mais on sait que depuis le début de cette crise dans la région de Difa et même dans la région de Tilabé, il y a beaucoup de cas de disparition, mais qui ne sont pas souvent documentés, qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas euh, répertoriés. Et c'est le cas vraiment de demander aux parents des victimes de prendre des dispositions pour que ces cas puissent être répertoriés, documentés et également aux organisations de la société société civile de travailler et à, redonner confiance vraiment aux parents des victimes. Mais je sais que cela est possible. Personne n'a pensé qu'un jour nous allons rentrer dans un conflit de ce genre et qu'il y aurait des conséquences, euh, par exemple des violations des droits humains, parce que des conséquences des disparitions forcées des personnes, on n'a pas imaginé. Et souvent aussi, c'est ça le défi, c'est quelle est la capacité de nos États à anticiper sur ces questions, quelle est la capacité des organisations de la société des organisations de défense des droits humains à anticiper sur ce genre de phénomène. Souvent, nous ne prévoyons pas de choses. Notre capacité à, à réfléchir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être si des cas de ce genre arriveraient, comment nous allons nous y prendre. Et je pense que c'est à ce genre de réflexion que désormais euh, nous sommes tous invités et nous sommes tous euh, contraints de collaborer euh, pour que plus jamais des cas de disparition forcée puissent être connus. C'est vrai que la journée a été instituée à travers le monde. Il y a des cas de disparition, mais pour le cas spécifique du Niger, je pense qu'on peut travailler, faire en sorte que euh, vraiment, si nous arrivons à faire face à cette crise, euh, la disparition qui n'est qu'une conséquence de cette crise peut aussi connaître sa fin. Partout dans le monde, euh, des parents, euh, des frères et sœurs, euh, des époux et des enfants tentent désespérément de retrouver des membres de leur famille, ignorant si leurs proches sont vivants ou décédés. La Journée internationale des personnes disparues est l'occasion de rappeler que des centaines de milliers de familles sont séparées pour cause d'insécurité et de catastrophe et qu'elles ont le droit de savoir ce qu'il est advenu de leurs proches. Nous sommes au terme de ce forum forum du studio Kalangou, nous avons eu le plaisir de recevoir Bilal Sablou, CICR Tunis, Christina Von Arx, coordonnatrice protection du comité international de la Croix-Rouge CICR au Niger, et Maman Kakatouda de l'association alternative Espace Citoyen. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.